peut confirmer effectivement que euh, les acteurs terroristes euh, opérant dans le Sahel s'inscrivent dans la même dynamique que euh, l'État islamique. L'État islamique, généralement, quand, quand il opère, en réalité envisage deux options. Soit prendre des otages pour se faire de l'argent, parce que le terrorisme, comme je l'ai toujours dit et je le répète encore, est une entreprise qui fonctionne avec de l'argent, et sans argent aussi, elle ne peut pas fonctionner soit pour euh, agir euh, en fait comme étant des, représailles. Des représailles, par exemple, suite à l'arrestation d'un leader euh, extrémiste ou à l'enlèvement ou, au meurtre de, leur leader. Donc, on peut directement dire qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé au Niger s'inscrit pratiquement dans la deuxième dynamique, c'est-à-dire celle de représailles, qui, pratiquement, qui peut être interprétée comme étant une réponse n'est-ce pas, aux, multiples interventions menées par les forces, euh, et j'allais dire, euh, multinationales et les forces aussi euh, du G5 Sahel. Donc ces forces, comme vous le savez très bien, ont à un certain moment donné, j'allais dire, pris, ils ont pris un certain nombre de dispositions critères et ces dispositions ont permis un peu d'arrêter, si vous voulez, l'élan terroriste et de tuer aussi certains acteurs considérés comme étant les noyaux durs ou comme étant les leaders, j'allais dire qui mobilisent les acteurs terroristes autour d'un idéal politico-religieux. Donc voilà en fait euh, la lecture qu'on peut faire dans un premier temps de ce qui est arrivé à, à euh, tout récemment. Euh, voilà. Est-ce qu'au Niger, euh, depuis l'avènement du terrorisme, depuis l'avènement de cette situation d'insécurité galopante, que ce soit euh, dans les lits du lac Tchad, au Sahel, est-ce qu'il y a une fois une attaque de ce genre qui ressemble à ce genre où on tue des otages Bon, vous savez, ça c'est la deuxième fois, puisque il y avait, je crois, à peine 4 ou 5 ans, euh, au cœur de Niamey, euh, des acteurs terroristes ont attaqué un, hôtel, ou je crois que c'est un bar. Et ça avait coïncidé, je pense très bien avec, euh, si vous voulez, la présence de deux Français qui ont perdu la vie. Mais pour ce cas de figure que nous sommes en train de vivre présentement, on peut dire que c'est la toute première fois qu'on voit ce genre de mode opératoire. Si bien que ce n'est pas assez surprenant puisque l'État islamique l'a déjà fait dans d'autres pays. Donc, euh, ce n'est pas surprenant. On peut supposer que ça rentre toujours dans la normalité de l'action terroriste.